vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme, une édition que nous débutons par la présentation des voeux au président de la République. En effet, les artistes sportifs et agents de la presse ont présenté leurs meilleurs voeux au président de la République, Mamadou Issoufou, hier après-midi. Le compte-rendu de Ahmad Harouna sur les images de Issoufou artistes et sportifs, la presse publique et privée ont tenu à présenter leur meilleur vœu de nouvel an au président de la République, fout mamadou. Et les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2020. Vous savez que la prochaine année 2019 très très laborieuse, tant au plan international euh, qu'au niveau national, elle a honoré notre pays. Et aujourd'hui, je pense que c'est un devoir pour nous de venir lui dire merci et de lui souhaiter le meilleur pour 2020. Le meilleur pour 2020 parce que au plan sécuritaire, nous prions Dieu qu'il l'accompagne pour que ses objectifs sécuritaires soient atteints, tant au niveau national qu'au niveau du G5 Sahel. Vous savez, le, il a joué un grand rôle au niveau du G5 Sahel. Aujourd'hui, son, son, charisme, son leadership au plan régional n'est pas à démontrer. Et ce genre d'initiative, pour moi, euh, pour le fait qu'elle invite toutes les couches socio-professionnelles du Niger témoin de l'être humain qu'il le père de la nation, qui partage des moments de joie avec tous les fils et toutes les filles de la nation. Donc pour moi, c'est vraiment euh, une occasion pour nous, autres Nigériens, peu importe notre profession, c'est de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour le Niger pour 2019, en espérant que 2020 encore soit meilleur. Meilleur pour la santé, pour sa propre santé, pour lui, pour sa famille, mais pour ça, s'investisse davantage pour le Niger. Pour nous, c'est une grande chance d'être là parce que d'être à côté du président, euh, c'est pas vraiment une chance qui est là toujours parce que c'est rare avec tout l'emploi qu'il y a, avec tout l'emploi du temps. Mais quand même, il accorde euh, une faveur aux artistes de venir, d'expliquer euh, leurs problèmes et d'expliquer leur vie aussi de donner aussi des conseils. nous sommes là aujourd'hui euh, au grand dîner de présidence et je pense que euh, tout le monde est content parce que tout le monde a vu le président. Et, euh, il a pris quelques minutes chacun de nous, donc ça fait du bien. Espérons que durant l'année 2020, les conditions de vie et de travail des agents de la presse seront améliorées. 25 morts, 6 blessés dans les rangs de nos FDS. C'est le triste bilan officiel de l'attaque de Chinagoder, située à 25 km de la frontière malienne, par les terroristes. Cette attaque intervient après un mois de celle du camp militaire d'Inates le 10 décembre 2019. Des voix s'élèvent pour dénoncer ces attaques meurtrières qui s'opèrent dans la région de Tilaberi, suivant un extrait de l'intervention faite par l'acteur de la société civile nigérienne, Mamman Bachar, avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. La situation est de plus en plus récurrente, criarde et particulièrement inquiétante euh, parce que euh, euh, il vous souviendra que ça fait même pas un mois exactement où une situation de ce type est survenue euh, notamment à un autre poste frontalier, celui d'Inates. Donc euh, si ça arrive encore à Sinagodor, avec pratiquement les mêmes modes opératoires, il y a lieu de s'interroger sur la qualité et j'allais dire l'efficacité de notre système actuel de défense. Donc ce qui mérite, de mon point de vue, une analyse un peu plus approfondie, un peu plus large euh, de, de la situation pour que chacun puisse apporter du sien, notamment en ce qui concerne l'apport civil euh, justement de l'analyse de la crise. Je pense que les sociologues psychologues, euh, les juristes euh, doivent s'interroger sur ce qui est en train de se passer. Euh, il me semble qu'il y a une nécessité de mobiliser davantage, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, davantage toutes les institutions spécialisées, notamment les centres national d'études stratégiques, euh, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, euh, la Commission défense de l'Assemblée nationale et toutes les structures, notamment les universités euh, et tous les consultants ou toutes les questions de sécurité et de lutte contre l'extrémisme violent, d'analyser véritablement euh, les phénomènes tels qu'ils se présentent et d'apporter des solutions. Les demandeurs d'asile de retour de Libye ont incendié leur centre d'hébergement à Agadez où vivent un millier de personnes dans l'attente de la délivrance d'une carte de réfugiés. Plus de 335 demandeurs d'asile ont été interpellés. La représentante du HCR au Niger, Alexandra Morelli, s'est rendue sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts cette situation a également suscité la réaction des acteurs du domaine de la migration. Le reportage de afrique Beji, Kossi et Moumouni Abdrahman. La situation des migrants et réfugiés actuels au Niger devient de plus en plus inquiétante et nécessite une volonté et un engagement manifeste des institutions en charge de régulation des statuts des réfugiés, tant dans l'amélioration des conditions de vie que dans le traitement et la finalisation des documents de voyage qui semblent être compliqués ou parfois assez lents. Voilà, malheureusement, nous l'avons tous appris depuis euh, le week-end décollé que les migrants qui sont basés dans le camp de, du HCN attendant leur procédure mm, de, de sur le statut de réfugié, ils ont, face à un contentement, ils ont incendié le camp. Donc voilà la situation. La situation, elle n'est pas du tout bonne. Il y a une tension en ce moment. Euh, comme vous le savez, sur 331 euh, maisons qui ont été préfabriquées, euh, on se rend compte qu'il y a seulement une trentaine, exactement 35 maisons qui aujourd'hui ont pu être sauvées. Même leur infirmerie, euh, ils l'ont saccagé. Et aujourd'hui, le procureur, durant sa sortie publique, a fait savoir que 335 migrants ont été interpellés. Euh, on a vu avec eux-mêmes des armes blanches et tout, qui ont servi à la euh, à l'incendie et tout. Donc actuellement, ils sont en détention, ils sont en interrogatoire, si on peut le dire, pour savoir ce qui se passe. Mais la fois passée, mardi dernier, lorsque la représentante du HCA était euh, à Agadez, elle a fait savoir que les échanges n'ont pas évolué parce que les réfugiés ont préféré garder, la plupart a préféré garder le silence. À l'état présent, les réfugiés vivant dans la région de d'Agadez ont fait le choix d'incendier leur logement. Qu'est-ce qui peut expliquer tous ces agissements Il faut aussi le rappeler que ces réfugiés sont actuellement interpellés au tribunal d'Agadez pour reprendre de leur acte. Alors, selon les, euh, réfugiés, les migrants, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'année passée, ils manifestaient ils manifestaient depuis l'année passée euh, comme quoi il y a une lenteur dans le traitement de leur dossier. En mars 2019, le gouverneur avait mis en garde les, migrants parce que en voyant la tension qui est en train de s'escalader et qui prenait une autre tournure, et je pense pas que migrer est une mauvaise chose. Migrer n'est pas du tout une mauvaise chose. Migrer est une bonne chose. mais il faut le faire dans les conditions. Euh, si je prends le continent européen, c'est différent de la CEDAO, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où je peux prendre euh, un billet tout de suite, aller à Lomé, aller à Accra, sans forcément obtenir un visa. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Donc voilà, c'est une question de, de rester de se conformer aux lois. Face à de telles situations, les autorités en charge des questions humanitaires doivent œuvrer pour trouver des solutions pérennes au problème de l'immigration irrégulière. Le Niger accueille les travaux d'un atelier de prise en charge des enfants déscolarisés et non scolarisés en vue de leur garantir une éducation de qualité d'ici 2030 et c'est avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Les acteurs de l'éducation accueillent favorablement la tenue de ce atelier. Ralia Sami pour les détails. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a fait de l'éducation son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il s'est engagé à rendre l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cependant, malgré les efforts fournis pour la concrétisation de cette ambition, beaucoup d'enfants restent privés de ce droit à l'éducation et d'autres s'arrêtent à mi-chemin. On parle ainsi d'enfants déscolarisés et non scolarisés. Et c'est justement ce groupe d'enfants que le Niger s'est engagé avec ses partenaires à leur assurer une éducation de qualité. Nous accueillons avec satisfaction cet atelier qui amène les partenaires à aider le Niger pour qu'il ait une éducation, l'accès d'abord à tous les enfants à une éducation d'abord, ensuite une éducation de qualité. On estime à peu près à plus de 2,5 millions donc 2 millions et demi d'enfants qui sont hors du système scolaire. Or, nous savons bien que c'est ces personnes-là qui n'ont pas accès à l'éducation, qui versent dans l'obscurantisme et qui souvent deviennent des cas difficiles à gérer et qui peuvent aller même dans l'extrémisme, voire même dans le terrorisme. Donc, euh, cette offre-là est la bienvenue. Cet atelier, en tout cas, nous, nous l'accueillons avec satisfaction, avec joie, et nous souhaitons que les recommandations issues de l'atelier puisse servir le Niger à mieux inscrire tous les enfants à l'école. Du reste, le président de la République a dit que l'école doit être d'abord gratuite, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela veut dire que même du point de vue national, des dispositions sont prises, mais c'est les moyens financiers qui manquent. Or, les partenaires sont venus pour apporter ces moyens financiers. Je pense que c'est une occasion, c'est une aubaine l'État doit s'en saisir, doit s'en servir et de façon rationnelle. Ainsi, pour atteindre cet objectif, tous les acteurs du domaine doivent conjuguer leurs efforts. Pour les parents d'élèves, nous pensons d'abord qu'il faut continuer la sensibilisation. Ils doivent comprendre que l'avenir de leurs enfants dans le système, c'est à l'école. Les enseignants doivent se dire que l'outil école, c'est ne pas donner à n'importe qui d'être enseignant. Un. Deuxièmement, c'est de dire que le travail qu'ils font aujourd'hui pour eux, mais aussi c'est pour l'État, c'est pour le devenir du pays. Puisque l'éducation, c'est un monde sans frontières, rien ni personne ne doit ou ne peut arrêter l'éducation. À l'ensemble des Nigériens, c'est de dire nous devons contribuer au développement de l'éducation, d'une éducation de qualité. Maintenant, il y a d'autres acteurs comme les COGES, les CGDS, qui doivent participer au suivi de ce qui se passe dans les écoles. L'enseignement, les fournitures qu'on amène, doivent s'assurer justement que ces fournitures-là, effectivement, sont arrivées dans les mains de leurs enfants et que les parents d'élèves suivent de près eh, l'évolution donc du système. C'est très important. Le gouvernement doit s'assurer que les fonds qu'on met à sa disposition en tout cas, soit utilisée à bon escient. L'éducation étant une question qui engage tout un chacun, est aussi un droit inaliénable pour tous les enfants. Il importe donc d'encourager et saluer les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans ce domaine qui sont en train d'envisager de mettre chaque enfant hors école dans son droit de ce journal consacré à l'analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne Maman Bachar sur la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi avec l'attaque survenue hier 9 janvier 2019 à Chinagoder à 25 km de la frontière avec le Mali entre les FDS et les terroristes faisant 25 morts et 6 blessés côté FDS. Très bonne réception. Au revoir. situation est de plus en plus récurrente, criarde et particulièrement inquiétante. Euh, parce que euh, euh, il vous souviendra que ça fait même pas un mois exactement où une situation de ce type est survenue notamment à un autre poste frontalier, celui d'Inates. Donc si ça arrive encore à Synagogue, avec euh, pratiquement les mêmes modes opératoires, il y a lieu de s'interroger sur euh, la qualité et j'allais dire euh, l'efficacité de notre système actuel de défense. Donc ce qui mérite, de mon point de vue, une analyse un peu plus approfondie, un peu plus large de la situation pour que chacun puisse apporter du sien, notamment en ce qui concerne l'apport civil euh, justement de l'analyse de la crise. Je pense que les sociologues, les psychologues, euh, les juristes euh, doivent s'interroger sur ce qui est en train de se passer. il me semble qu'il y a une nécessité de mobiliser davantage je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Davantage, toutes les institutions spécialisées, notamment le Centre national d'études stratégiques, euh, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, euh, la Commission défense de l'Assemblée nationale et toutes les structures, notamment les universités euh, et tous les consultants pour toutes questions questions de sécurité et de lutte contre l'extrémisme violent, d'analyser véritablement euh, les le phénomène tel qu'il se présente et d'apporter des solutions euh, nettement et nécessairement civilo-militaires. Parce que euh, ce qui se passe ne peut pas, de mon point de vue, être résolu euh, seulement par l'action militaire, parce qu'on a vu finalement les limites justement de toutes les précautions militaires prises. Euh, jusque-là, les attaques surviennent encore et elles viennent avec toujours leur cortège de mort. Donc, de mon point de vue, l'interdiction de circulation de motos euh, ne me paraît pas euh, comme la solution idoine face à cette situation parce que elle a euh, l'handicap euh, d'aggraver, si vous voulez, des situations de vulnérabilité de population. Parce que les motos, à l'heure actuelle, dans nos bus, dans nos campagnes, c'est elles qui ont remplacé les ânes, c'est elles qui ont remplacé les chevaux, c'est elles qui ont remplacé les dromadaires, euh, avec lesquelles on s'est déplacé jadis. Elle facilite non seulement les échanges entre les communautés, mais également les transports des biens et des services. C'est elle qui assure, dans certains cas même, les évacuations sanitaires. Donc si on dit, on interdit les motos, euh, dans des zones où il y a euh, des localités qui peuvent faire un mois sans voir un véhicule passer, et c'est comme si on aura aggravé la vulnérabilité de la population. Donc, de mon point de vue, il y a une nécessité de repenser justement ces différentes mesures-là et de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Peut-être on peut immatriculer euh, tous les détenteurs des motos on peut les ficher si on veut, on peut en tout cas créer toutes les conditions de sécurisation pour eux-mêmes et pour les communautés. Peut-être même envisager à ce que ces différentes motos-là soient parquées à une euh, une certaine heure de la journée euh, au niveau des autorités euh, militaires ou des forces de défense et de sécurité pris de manière générale. Et donc, euh, prise de manière générale dans un endroit déterminé pour s'assurer que justement ces motos-là ne fassent pas l'objet d'un usage illicite ou j'allais dire euh, même de nature à développer une certaine insécurité. Mais la réalité aujourd'hui est que ces motos viennent d'un autre pays. La réalité des choses est que ça ne finit pas. Donc il y a lieu de s'interroger sur euh, la provenance justement de ces, de ces engins à deux roues et qui en sont les propriétaires. Est-ce que il y a une étude qui aura déterminé que les motos qu'on aura pu prendre euh, lors de ces genre d'attaque sont des motos des autochtones Première question. Si cela est établi, alors là, on peut se dire que justement, il y a danger à ce que les motos qui sont détenues par les civils dans ces localités euh, seraient euh, donc euh, de, motos qui sont euh, aussi utilisées pour faire, pour faire des attaques. Quand ces liens là n'est pas établi, je pense que ce n'est pas pertinent euh, justement de, de, persister dans cette mesure parce que euh, tout simplement elle fragilise donc euh, les niveaux de vulnérabilité des populations, elle, elle les activités économiques des populations et elle, elle crée plus de situations de vulnérabilité parce que euh, même pour aller annoncer aux forces de défense et de sécurité qu'il y a une attaque quelque part, s'il n'y a pas de moyens de déplacement, c'est encore la population qui se trouverait et euh, donc euh, j'allais dire dans des situations assez assez difficiles, assez désespérantes. Donc pour moi, il y a lieu plutôt de contrôler ces motos, d'assurer des moyens de communication efficaces pour que les populations par elles-mêmes puissent contribuer avec plus d'efficacité donc euh, à la sécurisation du pays en informant en temps réel Hein. donc euh, les, autorités euh, compétentes à la matière chaque fois qu'il y ait euh, des incidents ou des situations anormales qu'ils constateraient ici et là avant même qu'elles ne dégénèrent donc que donc justement les FDS soient j'allais dire avertis euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'il y a une nécessité de regarder davantage du côté de cette mesure-là pour l'améliorer, l'assouplir, de sorte que ça ne puisse pas justement entraîner d'autres situations encore plus critiques pour les populations qui sont déjà éprouvées et, puisque quand on vit des situations d'insécurité, euh, on se vit pratiquement, on ne vit plus, Puisqu'on vit euh, euh, dans, la peur, on vit de l'expectative et on, vit avec des activités complètement réduites parce que tout est lié à la sécurité. Lorsqu'il y a l'insécurité, on ne peut pas faire autre chose on ne peut que chercher à se sécuriser. Donc vous voyez un peu euh, la, la, situation telle qu'elle se présente. D'un autre point de vue, il y a lieu euh, véritablement de nous interroger tous ensemble sur euh, la qualité de, ces partenariats-là que nous avons avec un certain nombre de forces étrangères qui sont sous nos sols en vérité, est-ce que cette présence est véritablement pertinente à l'heure actuelle Est-ce qu'elle est efficace Et quels sont les mandats qui sont fixés justement à ces forces-là Et pour un peu examiner ensemble le contenu euh, donc des, des différents contrats qui nous lient et de voir et en vérité en quoi est-ce que ces contrats peuvent connaître des ajustements ou en tout cas des améliorations pour que euh, le FDS puisse avoir la primauté sur leur territoire national parce que en vérité c'est sur eux que repose le système de sécurité nationale donc toute autre force qui viendrait de notre pays doit être une force, euh, j'allais dire, d'accompagnement et donc d'appui à cette force nationale-là. Et il n'appartient pas à une force étrangère de venir se substituer à une force nationale euh, qui doit, euh, à mon avis, et, comme dans tous les pays, en tout cas républicains, avoir la priorité euh, justement euh, de, euh, du système de sécurité dans le pays de manière générale. Donc voilà un peu ce qui me suscite cette situation en termes d'analyse. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe de manière globale aujourd'hui, qui véritablement embrase la région de Tilaberi, puisque par le passé, c'était vraiment DIFA qui nous préoccupait. Et aujourd'hui, vous voyez, la situation est, vraiment, euh, euh, j'allais dire, euh, récurrente et, et, elle prend une certaine proportion particulièrement inquiétante aussi bien dans la région de Tilaberi et surtout la partie euh, euh, où nous partageons la frontière avec le pays frère du Mali, ce qui pose euh, véritablement une question fondamentale sur la présence des forces armées maliennes au niveau de ces postes de frontière là Puisque s'ils ils viennent du Mali, ils font des attaques, ça veut dire que quelque part, ils ont eu un point de départ. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ces différents points de départ-là et ça à dire que les forces armées maliennes sont absentes de ces zones au point que chaque fois qu'ils ont eh, l'intention de pouvoir quitter cette zone-là pour venir dans notre pays, ils parviennent à les faire allègrement, puisqu'ils viennent en cortège, ils viennent à un nombre impressionnant pour faire des attaques. Ce n'est pas une ou deux motos, ce n'est pas une ou deux voitures, c'est plusieurs qui viennent. Comment ils parviennent à échapper à tous ces GPS-là qu'on a de nos jours, à tous ces radars, à toute euh, euh, cette, euh, j'allais dire, à tous ces dispositifs sécuritaires hein, qu'on nous rappelle tout le temps et qu'on a euh, dans ces, dans ces différents pays-là. Donc c'est là, je pense que c'est euh, des éléments d'interrogation assez euh, importants qui me semblent en tout cas dignes d'être analysés par des, comités pluridisciplinaires pour qu'on parvienne à aller de l'avant. Je pense qu'il est, est temps que les dirigeants écoutent les forces vives de la nation. tous les experts donc de différents domaines vraiment euh, sont attendus dans leur analyse objective de la situation pour aider les institutions publiques de l'État à pouvoir assurer avec beaucoup plus d'efficacité et j'allais dire d'efficience la sécurité nationale puisque chaque euh, soldat qui tombe c'est une euh, portion de cœur de la nation qui est touchée parce que c'est un citoyen qui s'est engagé au péril de sa vie pour assurer la sécurité des autres. Donc, un soldat n'est pas n'importe qui. C'est un citoyen euh, d'une catégorie supérieure dans sa charge et sa responsabilité donc d'assumation de la sécurité nationale pour ses concitoyens. Et je pense que euh, ça ne doit pas passer inaperçu. C'est des situations assez préoccupantes qui doivent être rapidement prises en charge de manière euh, à ce que cela ne se vienne plus. Il faut que cela s'arrête. Nous avons beaucoup enterré. Il faut que nous cessions d'enterrer et de pleurer nos morts chaque fois qu'il y ait des situations de ce genre. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio, télévision, Tambara. Yeah. 107 MHz. La voix de la femme. Hello. Tambara. J'ai envie de mettre du son. Enfin. Shebi you know you dey make me kolo.